Une première action d'entraide et de solidarité à l'endroit des jeunes patriotes qui font la garde civile au niveau des différents ronds-points et autres carrefours pour sauver l'honneur de la patrie. Hier soir, vers 22h, justement, de bonnes volontés sont venues en aide à ces jeunes à leur apporter de la nourriture et de l'eau. Et l'action que le cadre d'action b n Africa est en train de mener, donc c'est une action qui est soutenue par les Nigériens de la diaspora les différents groupes WhatsApp et même les Nigériens qui vivent à l'intérieur du pays. Donc aujourd'hui, on a préparé eh, plus de 1500 plats. Donc euh, nous comptons aussi à l'avenir. Ça dépend des moyens. Donc euh, c'est pour la première fois aujourd'hui et nous comptons, nous voulons que ça soit continuel. Le cadre Action B52 est un cadre fédérateur qui regroupe des jeunes filles et garçons engagés pour la cause noble de la défense de la patrie. Ils préparent désormais chaque soir de la nourriture qu'ils apportent à leurs frères et sœurs gratuitement pour leur permettre d'assurer la garde civile jusqu'au petit matin. L'engagement de la femme, vous avez vu, nous les mamans et les sœurs des d'autres, parce qu'il y a d'autres qui sont plus âgés que moi, c'est le moment de supporter nos jeunes fils, filles et garçons pour qu'ils Sache que s'il y a une lutte, ça les concerne. Et nous souhaitons que les Français quittent ce pays tôt, dans l'intérêt de tout le monde. Des actions humanitaires de ce genre sont un modèle à copier car cela galvanise beaucoup les jeunes et apporte de l'ambiance et de la joie dans le cœur de chaque citoyen nigérien ce qui, mieux encore, réveille la fibre patriotique en chacun de nous pour la sauvegarde de la patrie. Il importe que chaque Nigérien, selon ses moyens, d'apporter son aide, et c'est jusqu'à notre pleine souveraineté.